you <laughs> Chers auditeurs des médias partenaires du studio Kalangu, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum euh, du studio Kalangu qui porte euh, sur euh, le thème bilan 2022 du dialogue intra et interreligieux au Niger et les perspectives pour l'année 2023. En septembre 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté par résolution 53 243 la déclaration et le programme d'action sur une culture de la paix. L'article 1er de cette déclaration dispose que la culture de la paix peut être définie comme l'ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur le respect de la vie, le rejet de la violence et la promotion et la pratique de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération. C'est dans cette optique que le 20 octobre 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a souligné dans sa résolution 65-5 euh, que la compréhension mutuelle et le dialogue entre les religions constituent des volets importants de la culture de la paix. L'Assemblée générale des Nations unies est allée plus loin en proclamant en décembre 2020 le 4 février de chaque année Journée nationale de la fraternité humaine. En instituant cette journée, l'ONU rappelle qu'il est crucial de sensibiliser les différentes cultures et religions ou convictions et de souligner le rôle important de l'éducation dans la promotion de la tolérance. Quelles ont été les grandes actions de promotion de la coexistence pacifique menées pendant l'année 2022 par le comité de dialogue intra et interreligieux au Niger C'est-à-dire, Quelles sont les perspectives et les défis à relever en 2023 pour une meilleure coexistence pacifique entre toutes les religions au Niger pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Sheikh euh, Baham Aboubakar, président du comité de dialogue intra- et interreligieux CEDIR. Monsieur Patrice euh, Adovi, secrétaire permanent du comité de dialogue intra- et interreligieux CEDIR. Et Monsieur Aloumega, prédicateur, secrétaire chargé des relations avec les partenaires du CEDIR Niger. Une fois de plus, euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce forum de ce soir portant sur le thème Bilan 2022 du dialogue intra et interreligieux au Niger et les perspectives pour l'année 2023. Cheikh euh, Brahma Boubouka, président du comité de dialogue intra et interreligieux au Niger, CEDIR. Dites-nous d'abord comment est né le CEDIR au Niger. Merci, euh, Michel Dj le CEDIR, Comité national de dialogue intra et interreligieux, est une association nationale apolitique créée le 30 septembre 2017 avec l'appui du ministère des Affaires religieuses, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, la direction des Affaires religieuses, j'allais dire, qui est une direction du ministère euh, de l'Intérieur, qui est le ministère tutelle des associations religieuses, donc euh, avec cet appui qui a permis de réunir les oulémas et les, euh, disons, les, leaders religieux à travers euh, les huit régions, de les réunir au, pour mettre en place cette structure. C'est ainsi que le ministère avait écrit en septembre 2017 au gouverneur de huit régions pour qu'il envoie cinq leaders religieux. C'est ainsi que chaque gouverneur régional a envoyé le nom de cinq leaders religieux, dont trois musulmans et deux chrétiens, pour mettre en, place euh, la structure nationale. Donc ça fait 40 personnes, sauf que pour Niamey, je pense qu'ils ont donné 10 places pour Niamey. Ça fait 45 euh, dirigeants, mhm. leaders religieux qui se sont retrouvés le 30 septembre 2017 ici à Niamey pour la mise en place de, cette association qui est nationale. Mm. Mais avant cela, eh, il, existait des cédirs régionaux, mm. notamment à Difa, à Maradi, à et à Niamey. Voilà, donc euh, il y avait quatre cédirs qui existaient bien avant la mise en place du CEDIR. Bien sûr, à la veille de la mise en place du CEDIR national, euh, les, gens ont mis en place les quatre autres CEDIR restants, notamment Tilaberi, Dosso, donc on les a mis rapidement un peu avant pour pouvoir procéder à la mise en place de ce dire national. Donc euh, cette volonté de faire naître une association qu'on va appeler CEDIR, elle est née de qui De vous, leader religieux, c'est ça Disons que le dialogue est né depuis dans les années 2000 avec euh, une ONG nationale qu'on appelle SOS Civisme, mhm. qui avait eu le courage de tenter le dialogue au Niger entre musulmans et chrétiens d'abord, ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. En tout cas, c'était dans les années 2000. Mhm. Donc, euh, ils ont osé mettre ensemble les leaders musulmans et leaders chrétiens mhm. pour dialoguer euh, afin de contribuer à faire baisser la tension interreligieuse et intra-religieuse Mhm. qui, existait, qui commençait à se sentir mhm. euh, dans ce pays. Intra-religieux, ça, veut... dire à l'intérieur de l'islam même. De il y a des démembrements. Oui, tout oui, comme dans le christianisme. Effectivement, effectivement. Déjà à l'époque, déjà mhm. il y a une vingtaine d'années, les gens ont senti que tout ce qu'on vit aujourd'hui allait venir. Donc ils ont essayé de prendre le devant à travers euh, une structure, euh, même si elle n'avait pas le nom dire il y avait quand même ce dialogue-là. Les gens ont osé avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine d'ailleurs, mais ils ont réussi quand même à amorcer ce dialogue qui a abouti aujourd'hui à la création d'une structure nationale qu'on appelle le CEDIR. Mhm. Merci beaucoup, Cheikh Abraham président du comité de dialogue intra et interreligieux CEDIR, Monsieur Patrice Adorvi, secrétaire permanent de ce comité de dialogue intra et interreligieux CEDIR. C'est quoi en réalité cette vision de ce comité, le CEDIR Le CEDIR euh, national euh, qui a pour objectif général la promotion et la consolidation de la paix à travers le dialogue intra et interreligieux pour la cohésion sociale dans le monde en général et au Niger en particulier. Et lorsque le CEDIR national a été eh, mis en place, par la DAR, la Direction des Affaires religieuses du ministère de l'Intérieur, on peut dire que à ce moment, c'était un besoin de l'État de voir naître cette structure qui va vraiment prôner pour la paix dans notre pays. Mmh. Et déjà à ce niveau, les objectifs spécifiques du CEDIR, c'est entreprendre des actions de médiation et de réconciliation pour une paix durable entre les religions. Sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique entre les adeptes des différentes religions. Mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population pour un changement de comportement. Promouvoir la non-violence intra- et interreligieuse. Faciliter les rapports entre les associations légalement reconnues et les autorités d'une part et les organisations internationales d'autre part. Mener toute action visant à améliorer le bien-être de la population dans son champ de compétences. Et après cela, nous pouvons aussi donner la vision et la mission et les valeurs du CEDIR Niger. Mmh. Donc la vision du Sédir Niger, c'est l'édification d'un monde pacifique qui vise la paix à l'intérieur et autour de nous-mêmes. Sa mission, c'est de forger le caractère des êtres humains par la formation, la sensibilisation et la médiation. Et les valeurs du Sédir Niger résident à la fois en Dieu et en l'être humain, en la culture de la tolérance, et de la consolidation de la paix, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité et en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Mmh. Monsieur Aloumega, quelles ont été en résumé les principales actions du Cédir, de sa création à nos jours. Donc, euh, Cheikh euh, vous a déjà dit, Cheikh Braham a déjà ébauché les, mobiles de la création du Cédir euh, par l'autorité elle-même qui déjà, le compte de la volonté politique affichée à l'époque pour permettre que les différents représentants des religions monothéistes puissent trouver un cadre de dialogue. Quand on dialogue, on trouve toujours un moyen d'entente. On, se fait connaître, se connaître et se respecter. Donc c'est un principe de se dire Niger. Quand on dialogue ensemble, on arrive toujours à trouver des compromis. Et c'est par le dialogue qu'on peut faire taire les préjugés ou, ou euh, pour que les, idées extrémistes puissent être combattues. Le dialogue permet de combattre les idées extrémistes. donc, essentiellement, votre travail, c'est le dialogue, c'est ça Le dialogue inter et intra-religieux, comme le disait tantôt Cheikh euh, Abraham. Donc, à l'intérieur, les religieux musulmans, entre eux, et les chrétiens, entre eux d'abord, et entre chrétiens et musulmans, ou toute autre sensibilité Hein, religieuse, puisque le CEDIR est ouvert à toutes les sensibilités. Nous sommes prêts à accepter tous ceux qui ont foi en Dieu et qui ont une religion qui accepte les valeurs de l'islam. Merci beaucoup. Cheikh Abraham euh, euh, Aboubakar, président du CEDIR, quelles ont été alors les grandes actions de promotion de la coexistence pacifique menées pendant l'année 2022 de façon particulière par euh, le CEDIR on a compris que vous faites du dialogue, vous essayez de créer cette coexistence pacifique euh, au niveau même euh, de chaque religion, mais également entre les religions, parce qu'au niveau de chaque religion, il y a parfois des courants qui sont différents, qui ne sont pas acceptés par tous les adeptes. Mais en 2022, qu'est-ce que vous avez fait particulièrement Déjà, le CEDIR avait eu beaucoup d'initiatives et d'activités et avant même euh, depuis sa création, j'allais dire, jusqu'en 2022. Et il y a aussi son bilan 2022 qui est là. Donc euh, le CEDIR euh, a procédé d'abord par de ce qu'on appelle des sessions de dialogue intra- et interreligieuse. Ces sessions consistent à sélectionner des leaders d'opinion. Ça peut être des leaders religieux, euh, musulmans et chrétiens. Ça peut être des imams et des, et des, prêtres. Mm. Euh, ça peut être des paroissiens et des étudiants musulmans ou bien des élèves des écoles coraniques. Ça peut être des enseignants des écoles coraniques. Ça peut être des, des personnes euh, travaillant dans les ONG ou des journalistes, etc. On les met ensemble pendant deux, trois jours. Mm pour discuter d'une thématique bien déterminée. Ça peut, ça peut être, par exemple, le dialogue, qu'est-ce que c'est Ou bien le dialogue à travers le Coran et la Bible. Donc ça offre l'occasion aux musulmans et aux chrétiens de venir étayer les arguments. Ça, on peut aussi parler d'autres sujets communs, de valeurs, euh, d'autres sujets qu'on a en commun. Ça peut être l'éducation, ça peut être euh, la paix, ça peut être la tolérance. Autant de sujets que musulmans et chrétiens euh, au-delà des divergences, peuvent partager, sur lesquelles au moins les gens sont d'accord, ou ils peuvent collaborer et travailler. Donc, euh, au-delà de la mise en place de ces sessions, il y a aussi des émissions euh, qu'on fait dans, les différentes stations radio, comme Kalangu par exemple. à part ça, il y a aussi des, des voyages qu'on fait des voyages de découverte, comme euh, tout récemment on était parti à Abuja, euh, on a fait des voyages à Dakar, on a fait des voyages un peu partout à l'intérieur du pays euh, pour apporter le message de paix. à la fois de l'islam et du christianisme aux différentes populations mhm. pour pouvoir les aider à à bien gérer leur cohabitation euh, au niveau local. On voit que dans d'autres pays d'ailleurs, on salue cette initiative du Niger. Et oui, oui, ça permet en tout cas de montrer l'exemple du Niger beaucoup de pays, beaucoup comme de pays. ce fut le cas du Nigeria qui était venu récemment au Niger avec son comité de dialogue qui fonctionne un peu comme euh, le vôtre, c'est ça Effectivement, ils ont beaucoup apprécié l'expérience nigérienne de dialogue intra-interreligieux mhm. qui chez eux et une chose tout autre, le pacifisme ici au Niger, euh, ce n'est pas le cas au, niveau du Nigeria. Les choses tournent très rapidement euh, à la violence euh, gratuite. donc, ce n'est pas le cas au Niger. Ils ont trouvé qu'au Niger, quand même, il y a une harmonie, une cohabitation harmonieuse, même s'il ne faut pas se fermer les yeux, il ne faut pas dormir aussi sur les lauriers, puisqu'au Niger aussi, il y a quelques tensions de la mesure où il y a les 13 événements de 2015, le 16 et 17, 15, 16 et 17 janvier 2015, mhm. et qui sont là pour nous rappeler que euh, la paix n'est jamais gagnée euh, d'avance. Vous il faites faut... allusion aux émeutes, 2015, euh, suite, à l'affaire Charlie, suite à l'affaire Charlie, qui avait voilà, où la plupart des de lieux de culte chrétiens ont mm. été détruits à travers le, Niger. Donc, euh, alors que l'affaire Charlie n'a rien à voir avec, euh, avec euh, les chrétiens, mm. voilà. Donc, ça veut dire que ce travail que le CEDIR fait, est important. Ce travail est, justifié, ce travail est pertinent car il permet aux gens d'éviter justement ces genres d'amalgame, d'éviter euh, ces violences gratuites, d'apprendre à respecter euh, son prochain, son concitoyen, d'apprendre à respecter l'autre, comme le, le, le prône d'ailleurs nos textes coraniques, comme le prône d'ailleurs le, texte biblique. Donc les gens on les appelle en quelque sorte à revenir à leurs textes fondamentaux, euh, à leurs textes coraniques, à leurs textes bibliques, pour voir que dans les texte coranique et biblique, il n'y a rien de tel, il n'y a, pas d'acte euh, de violence gratuite à porter sur son, proche, sur son prochain. Au contraire, on dit d'aimer son prochain. On dit en, islam d'aimer son prochain plus que soi-même. Chez les chrétiens, on dit si on te gifle sur une joue, de bien vouloir tendre l'autre joue. Donc, on ne peut pas mettre nos textes coraniques en, ex, en exergue pour justifier des violences gratuites d'une communauté contre une autre. Donc c'est un peu ça le message du CEDIR. C'est un peu ça le travail que fait le CEDIR. Mais le, le ne fait, pas, ne fait pas que des discours. Le CEDIR a aussi écrit un manuel. Ce manuel a été créé et euh, justement coécrit par vos serviteurs Imam Ben Salah, côté musulman, mm. donc qui donne les arguments qui est un grand prédicateur. Euh, le de ben, ben Salah. Ben Salah et, mhm. euh, voilà, et nous-mêmes, on a collaboré pour euh, écrire ce manuel pédagogique. Et qu'est-ce dit ce manuel de Ben Salah C'est un, manuel pédagogique de formation pédagogique sur le dialogue intra-interreligieux et l'éducation à la paix selon l'islam qui a été édité en 2017. Mhm. Voilà. Donc, il y a aussi un autre manuel de formation pédagogique sur le dialogue intra-interreligieux et l'éducation à la paix selon le christianisme, édité aussi en 2017 et élaboré par Père Antoine Chenu, qui est déjà rentré en France, mhm. et Révérend Bachiri Sabo. Donc, Père Antoine euh, Chenu, c'est presque un, Nigérien. Mm. Il a fait plus de 42 ans de service mm. euh, au, Niger. Il parle même des langues Peul, Touareg, etc. Donc, euh, C'était un missionnaire. C'était un missionnaire de l'Église catholique. voilà. Mm. Donc, c'est eux qui ont écrit coécrit, écrit euh, alors que Sabo Bachiré, lui, il est de l'église évangélique. Mhm. Donc, vous voyez déjà, euh, à travers les gens qui ont collaboré pour écrire ces différents manuels, il y a des différences d'école, il y a des différences d'idéologie, et donc, oh, ça ne les a pas empêchés vraiment de collaborer positivement pour mhm. offrir à, notre population, à notre peuple, euh, un document écrit, un mhm. document historique qui rapproche davantage les communautés. Patrice Adovi, secrétaire permanent du CEDIR, est-ce qu'il y a d'autres actions à ajouter par rapport à tout ce qui a été fait Donc, euh, pour euh, compléter, Cheikh Baram, euh, le coordinateur national du CEDIR Niger, nous pouvons ajouter que pour l'année 2022, très peu des activités habituelles de sensibilisation, de médiation et de conciliation du CEDIR ont été menées. Tout simplement parce qu'en 2021, eh, une étude diagnostique commanditée par euh, le SOS Civisme ayant fait ressortir les forces, les contraintes, les opportunités et les menaces des CEDIR. Cette étude a montré que les CEDIR fournissent d'importants efforts, mais pas toujours visibles, de sensibilisation, de médiation, de conciliation contribuant ainsi significativement à la stabilité et à la cohésion sociale. Ce sont ces raisons qui ont poussé le CEDIR à se focaliser en 2022 sur son développement organisationnel. Cela s'est matérialisé par un projet dénommé Appui au développement organisationnel du CEDIR Niger. Ce projet a permis au CEDIR de réaliser des stratégies et des activités clés, la mise en place d'un secrétariat permanent du CEDIR national, d'où ma présence parmi vous aujourd'hui. Mhm. Donc c'est ce projet-là qui a permis vraiment mon recrutement. Et afin que le CEDIR puisse avoir un secrétariat permanent pour, eh, une, pour un fonctionnement sans discontinuité. Mhm. Et la mise à jour aussi de son plan stratégique par euh, des techniciens qui se sont eh, regroupés autour d'un atelier national à Dosso et une analyse actualisée du fonctionnement et une évaluation des besoins pour l'opérationnalisation de la structure nationale. Une stratégie de partage d'informations à l'interne est développée et mise en œuvre à tous les niveaux, des communes au niveau national et vice-versa. L'élaboration d'une stratégie et plan de communication du CEDIR Niger, validée en octobre 2022, tout à l'heure, tantôt, je disais que le diagnostic a révélé que le CEDIR n'était pas trop visible. Donc, d'où la nécessité de s'octroyer un plan de communication lui permettant vraiment d'être beaucoup plus euh, visible et se faire aussi connaître par le partenaire. Une campagne de mobilisation des ressources à travers l'organisation d'une journée porte ouverte à l'endroit des partenaires techniques et financiers le 4 février dernier pour la présentation des projets programmes et plans d'action pluriannuel 2022-2025 menés en direction de divers partenaires étatiques et non étatiques. Parce que pour que le CEDIR puisse continuer ses actions, il va bien falloir des moyens. Et sans moyens, eh, le CEDIR, eh, quelle qu'en soit la volonté des membres, eh, ils seront limités dans leurs actions. Donc, euh, pour aussi ajouter l'élaboration d'un plan de plaidoyer qui est en cours d'élaboration. Parce que tout à l'heure, dans les objectifs euh, du CEDIR, on a parlé de la médiation. Et pour pouvoir bien réussir vraiment cette médiation, il faut un plan de plaidoyer clair sur lequel il faut se baser afin de l'utiliser dans le traitement de tout type de conflit, afin de pouvoir arriver à une certaine conciliation. Ainsi pour dire que c'est ce développement organisationnel qui a tant occupé les membres du CEDIR et courant l'année 2022. Mhm. Donc en plus de ces réalisations, on peut citer pour l'année 2022 la signature d'un protocole d'accord avec World Vision Niger qui a permis de donner des formations sur l'approche d'UNOHAM, c'est-à-dire ne pas nuire, de World Vision Niger, à Tilaberi, à Niamey, à Dosso, à Zender et à Maradi. Il y a eu aussi la signature d'un protocole d'accord avec euh, la CADEV Niger qui a permis de rédiger une lettre de plaidoyer pour inviter les pouvoirs à utiliser les droits de tirage spéciaux DTS destinée à la riposte d'urgence au Covid-19 en faveur des groupes sociaux les plus vulnérables affectés par la pandémie, en particulier les jeunes filles et garçons, en collaboration avec la société civile et les médias. Merci, Monsieur Alumega. On voit en tout cas que cette vision du CEDIR est partagée par euh, la plus grande euh, organisation mondiale, c'est-à-dire euh, l'ONU. On l'a rappelé en introduction. Le 20 octobre 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a souligné dans sa résolution 65-5 que la compréhension mutuelle et le dialogue entre les religions constituent des volets importants de la culture de la paix. L'Assemblée générale des Nations unies est allée plus loin en proclamant en décembre 2020 le 4 février de chaque année journée nationale de la fraternité humaine. En instituant cette journée, l'ONU rappelle qu'il est crucial de sensibiliser les différentes cultures et religions ou convictions et de souligner le rôle important de l'éducation dans la promotion de la tolérance. Quelle analyse faites-vous de cette vision de l'Organisation des Nations Unies par rapport à cette question de dialogue interreligieux En ce qui concerne cette vision mondiale du vivre ensemble et surtout de, la consolidation de la paix, je trouve que nous, au CEDIR national, au Niger ici, nous sommes dans cette lancée. Dans la mesure où, au niveau du CEDIR, nous faisons la culture de la tolérance. Il faut se tolérer d'abord et ensuite se connaître et se respecter. Ce sont des principes cardinaux pour une consolidation de la paix. Tant que les individus cherchent à se connaître, c'est qu'ils arrivent à se tolérer. de la tolérance, euh, le lien de dialogue s'établit et à, partir du dialogue, il est certain que tous les préjugés peuvent être dissous ou au moins on peut, on peut les tolérer, on, peut le, problème est qu'il y a des idées préconçues. Quand on ne connaît pas l'autre, on peut l'accuser de tout. Mais au fur et à mesure que vous apprenez à le connaître, vous vous rendez compte qu'en réalité, quand vous regardez dans les religions, peu de choses vous séparent. Dans toutes nos religions, et puis le principe de l'islam, c'est la paix la consolidation. Même chaque matin que vous croisez un voisin, vous lui dites que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum, que la paix soit avec toi. Donc, la culture de la paix, c'est pour un musulman, c'est une obligation divine. Donc, on ne peut pas. Et puis, quand on regarde nos textes religieux, on, se rappelle toujours de la phrase du prophète Mohammed, paix et salut. Nul parmi vous ne peut être vraiment musulman s'il ne veut pas pour son frère ce qu'il voudrait lui-même. Donc, à partir du moment où tout un chacun veut un bien-être, vous voulez être en paix, vous voulez avoir une famille euh, épanouie, vous voulez vivre euh, selon vos moyens, alors tant que vous ne voudrez pas cela pour votre voisin, vous ne pouvez pas vous réclamer musulman. Or, donc, c'est un principe inaliénable pour un musulman de euh, chercher la paix et surtout de euh, participer à la consolidation de la paix. Mm. Donc au niveau de ces dire Niger, nous travaillons, nous œuvrons euh, chaque fois que le bon Dieu fait, chaque jour que le bon Dieu dans ce principe-là, et cela à, l'égard, à l'endroit de toutes les sensibilités qui existent au niveau du Niger. Mm. Personne n'est exclu, nous, nous ne rejetons personne, tout, tout le monde compte. Parlons à présent des perspectives et les défis à relever en 2023 pour une meilleure coexistence pacifique entre toutes les religions au Niger. Cheikh Abraham Aboubakar, euh, président du CDI, dites-nous quels sont les enjeux de ce dialogue intra- et interreligieux au Niger. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un pays gagne en faisant la promotion de ce dialogue intra et interreligieux, ainsi que la promotion de la tolérance entre les religions. Je crois que les enjeux du dialogue, pour peu qu'on on soit averti, sortent euh, à l'œil, mhm. de la mesure où il y a une vingtaine d'années, des gens courageux, visionnaires, avaient eu à initier des rencontres interreligieuses. À l'époque, les gens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait à l'époque, il n'y avait même pas ces histoires de Boko Haram et de violence. Euh, ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, que les Boko Haram sont nés au Niger. Même si les Boko Haram existaient, c'était au, Nigeria, mais pas encore au Niger. C'était beaucoup plus tard que euh, le phénomène Boko Haram était apparu au Niger. Puis ça s'est métastasé un peu partout, au, dans, le, dans le nord du pays, vers la Libye, puis vers l'ouest du pays. Maintenant, on parle de toute la région ouest africaine qui est en passe d'être gangrénée par euh, la, violence euh, terroriste, j'allais dire. Donc, euh, il fallait trouver une parade pour que cette violence qui a tendance à nous encercler encercler nos différentes frontières ne puisse trouver d'écho dans les grandes villes, ne puisse trouver d'écho à l'intérieur euh, des terres, ne puisse trouver des, répondants parmi les nationaux, mhm. ne puisse mettre en péril la paix civile, la paix sociale, la cohabitation au quotidien entre les populations car dès qu'il y a des bisbilles entre la population, ça renforce les tenants de cette violence, ça renforce, ça donne du crédit aux, actions diaboliques de ces terroristes. Donc, oh, ça, ça, ça signifiera la fin d'un pays euh, en tant que nation. Mmh. Donc, oh, si à l'intérieur et à l'extérieur, vraiment, c'est l'implosion c'est l'explosion de la violence. Donc, euh, vous voyez, donc ça permet de, de maintenir cette cohésion sociale. C'est pourquoi, dans les objectifs du CEDIR, vous avez vu, le SP vient de le dire, il s'agit de consolider la paix. Mm, ça veut dire que ça contribue à la préservation de la paix. Oui, et, que, sans la paix, on ne peut pas avoir le développement, on ne peut, pas avoir l'éducation. On ne peut même pas vivre. Quand la paix est perturbée, il n'y aura pas de religion, il n'y aura pas de marché, on ne va pas au marché, on ne va mhm. pas à la, mosquée, on ne va pas à l'église, on ne va nulle part, on ne voyage pas. Mhm. Euh, voilà, il y a beaucoup de, parties de notre pays qui expérimentent ça, euh, malheureusement. Donc, euh, voilà, d'où l'enjeu est de maintenir cette cohésion sociale malgré tout, malgré ce que font ces terroristes. En tout cas, ils ne trouvent pas d'écho de, favorable au sein de la population. Et ça, compte, ça consiste à à supprimer les velléités hégémoniques des, des, uns sur les autres, les velléités de rejet des uns envers les autres, et les velléités de violence et de haine envers les uns pour des questions euh, de divergence idéologique, pour des questions de divergence d'école. Voyez, les gens sont amenés par ignorance à franchir le pas de la violence, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en accord avec l'autre. Ils mm. peuvent utiliser cette petite différence de culture idéologique ou bien de culture religieuse pour euh, s'adonner à, la violence gratuite. ce qui n'est pas normal. Dans la différence d'opinion, dans la différence d'idées, il y a une école, il y a de savoir apprendre. il y a des expériences à prendre. Il faut savoir écouter l'autre, il faut savoir être humble, il faut savoir vraiment, il était lui le prophète, il était le détenteur de la vérité, au même titre que Jésus mais ils ont écouté des gens que tout le monde sait que c'était des gens qui sont sur la mauvaise voie, sur le mauvais chemin, mais ils, ont fait preuve d'humilité mm-hmm. et ils les ont écoutés. Ils sont allés vers eux. Le messager d'Allah est parti jusqu'à signer des contrats sur le le contrat de, de, avec les mécréants, des gens qui ne croyaient ni en Allah ni en son prophète. Et il a signé humblement des contrats qui était même à sa défaveur. Juste pourquoi Pour avoir la paix. Mhm. Donc cette paix-là fait partie de l'ADN de nos différentes religions. Merci beaucoup, Cheikh Abraham. On voit donc que vous expliquez que l'islam est favorable à ce genre de dialogue, allant dans le sens de faire la promotion de la connaissance mutuelle entre des personnes de différentes religions, dans le but euh, de favoriser un meilleur euh, vivre ensemble. Monsieur Patrice Dovi, que dit le christianisme à ce sujet et comme euh, le coordinateur national vient de le dire, le christianisme aussi est une religion de paix une religion du mieux vivre ensemble, une religion de la coexistence pacifique. Et tout comme euh, l'islam, euh, le christianisme aussi prône vraiment pour euh, la consolidation de la paix. En un mot, dire que le christianisme est favorable à la paix. Et M. Patrice Adovi, en tant que secrétaire permanent du comité de dialogue intra interreligieux, CEDIR, dites-nous de quelle stratégie dispose le CEDIR pour arriver à renforcer la connaissance et le respect mutuel entre les religions au Niger. Ok, et nous pouvons dire que comme euh, perspective, euh, et le CEDIR, en tout cas, prévoit organiser une caravane de la paix entre les leaders religieux et les autorités administratives et politiques. Parce que ça dissuade quand ceux-là qui sont au bas regardent ceux du sommet se retrouver ensemble pour mener des actions de paix, ça les interpelle. Si eux-mêmes, entre eux, arrivent à se réunir pour mener des activités eh, de ce genre ensemble, pourquoi nous, au bas niveau, nous allons essayer de mettre la zizanie entre nous. Il faudrait que aussi, nous aussi, nous puissions eh, épouser l'exemple de nos leaders que nous voyons eh, sans diversité, qui font tout ensemble. Mm. Et en plus, euh, le CEDIR, euh, à travers un atelier, a euh, élaboré des projets, programmes et plans d'action 2022 et 2025 qui reposent sur cinq axes. Où le premier axe consiste au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du CEDIR Niger. Et le deuxième axe, c'est le renforcement du dialogue intra-religieux pour la prévention des conflits et la promotion de la tolérance entre les différentes tendances islamiques au Niger. Et le troisième axe consiste au renforcement du dialogue euh, intra-religieux pour la prévention des conflits dans la promotion de la tolérance entre les différentes tendances chrétienne au Niger. Voilà, merci Monsieur Aloumaïga, membre du CEDIR. Aujourd'hui, quels sont les grands défis qui se posent au dialogue interreligieux dans le contexte actuel euh, au Niger dans le contexte actuel du Niger, ce qui nous interpelle à l'heure actuelle, nous, au niveau du CEDIR national, c'est une constatation de savoir que notre pays est un pays jeune et que nous avons une population très jeune à ce sujet. Donc, selon les statistiques, officielles, de la moitié de la population a moins de 15 ans. Les perspectives au niveau du CEDIR national, c'est à l'endroit de cette grande frange de la population que nous avons, puisque c'est sur eux que repose, comment l'avenir du pays et pour la consolidation de la paix. Quand les jeunes sont formés, et, comment dirais sensibiliser, éduquer dans ce sens-là, alors nous, pouvons dire que notre pays peut sortir gagnant dans cette perspective. Et surtout les femmes qui sont les premières victimes en cas de conflit, ce sont elles qui souffrent compte tenu des situations dans lesquelles elles se trouvent. Donc c'est à l'endroit de ces jeunes et des femmes en question que le CEDIR doit organiser des salles. Nous, ça, ça fait partie de notre plan d'action 2022-2025 où c'est à l'endroit de ces couches de la population nigérienne que nous allons porter notre intérêt et surtout tous nos efforts consistent à faire en sorte que ces gens s'approprient de l'idée de la tolérance en question et surtout de la coexistence pacifique entre les religieux de tous les bords, sans exception, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres là, qu'on sache que l'autre est également ton frère et il est nigérien au même titre et qu'il a le droit de pratiquer sa religion dans la paix et dans la tolérance mutuelle. Mhm. Chacun là, la Constitution est là pour garantir à chacun ce droit-là. Merci beaucoup. C'est donc un droit constitutionnel. C'est prévu en l'occurrence dans les articles 8 et 30 de la Constitution. Il y a des aspects juridiques justement dans ce qu'on dit. Merci beaucoup, euh, Monsieur Aloumaïga prédicateur, membre du CEDIR euh, également. Cheikh Abraham Aboubakar, euh, quel est votre mot pour terminer par rapport au défi aux défis et si vous avez des attentes particulières à l'endroit des populations de l'État ou d'autres acteurs euh, dans le cadre du bon accomplissement de votre mission Effectivement, comme le suggère Maïga, la paix, la cohabitation n'est jamais gagnée d'avance. Il faut faire, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à travailler. Ça nécessite des efforts de tous d'ailleurs, d'État même. Je parle de partenaires je parle de musulmans, je parle de chrétiens. Quand je parle de musulmans, je parle de leaders, hmm. je parle des enseignants, je parle des imams. Quand je parle de chrétiens, je parle des prêtres, des curés, je parle des paroissiens, des pasteurs, voilà. Hmm. Donc, euh, vraiment, ça demande un effort de la part de tous. Le, dialogue intra et interreligieux est un chemin qu'on convient vient à peine d'entamer car le dialogue même n'est pas connu. C'est un défi. Beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, et d'ailleurs beaucoup de chrétiens ne connaissent même, ne savent pas ce qu'est que le dialogue, ne savent pas ce qu'est que l'importance de ce dialogue, ne connaissent pas les enjeux de ce dialogue. Donc il y a vraiment euh, beaucoup de sensibilisation à faire de ce C'est vrai que quand vous, les leaders, vous êtes ensemble même, certains il y a même des leaders, il y a même des imams, des mhm. leaders, des chefs mhm. euh, qui ne connaissent pas ce que c'est le dialogue alors que le dialogue est contenu dans nos textes coraniques. C'est qu'on ne l'a pas expliqué. Mhm. C'est que les gens ne prennent pas le temps d'expliquer toujours le dialogue, les certaines choses. On Donc, par exemple des religieux musulmans qui vont à l'église ou des religieux, des leaders chrétiens qui vont à une mosquée pour souhaiter des vœux de bonne Le dialogue ne se limite pas à ça. Ça, c'est mhm. des choses naturelles. Mhm. Chez le musulman, euh, par exemple, nous, tout récemment, dans notre journal, al on a fait des articles, un numéro spécial sur ça. Mm. Donc, un musulman puisse dire euh, bonne fête ou quelque chose comme ça, ou bien bonne année, ou bien bonjour, ou bien le souhaiter, lui faire des félicitations quand il a ses diplômes, euh, à son voisin qui n'est pas mm. musulman même s'il n'est pas chrétien d'ailleurs, c'est quelque chose de naturel, mm. c'est quelque chose d'humain, d'humain. C'est quelque chose euh, que, l'islam considère dans ce qu'on appelle al-birr al-ihsan. C'est les actes euh, méritoires que le musulman est appelé à accomplir euh, naturellement sans contrainte. Dire bonjour à son voisin sans chercher à savoir de quelle religion il est, de quelle idéologie. Ça, c'est un acte qui doit s'inscrire dans l'acte naturel des musulmans. Et il n'y a rien de tel pour un musulman que d'accomplir sagement et sciemment une sunna du prophète Mohammed. Une sunna, c'est un acte que le messager d'Allah a déjà posé ou bien qu'il a demandé aux gens de poser. Mhm. Donc, euh, euh, pour un musulman, c'est un acte naturel. Mhm. Le fait d'aller même juste dans l'église, dire bon, bonne fête aux chrétiens, ce mhm. n'est c'est pas haram. C'est pas un acte. Euh, parce que quand tu vas à l'église, tu ne vas pas prendre quelque chose à l'église. Quand les, chrétiens arrivent à la mosquée, dire aux musulmans bonne fête, bonne fête de Mouloud, etc., ils ne viendront pas nécessairement prendre quelque chose à la mosquée ils viennent juste exprimer un acte humain que, que, leur propre religion. Et nous, musulmans, quand on, va, on peut aller jusqu'à dans l'église, dire bonjour, bonne fête à nos amis chrétiens, à nos frères chrétiens, à nos voisins chrétiens. Ça veut dire que vous ça prenez tout cela, on vous a bien compris, chacun, euh, mais est-ce que vous avez un appel pour terminer L'appel, c'est à, à l'endroit de l'État, uh-huh. de vraiment doubler d'efforts en, direction de, de dires de, de, de, donner plus de reconnaissance au CEDIR. Quand on va dans certains pays, vraiment, on a honte de voir qu'au Niger, le, la structure nationale de dialogue existe, mais elle n'est même pas euh, valorisée. Elle n'est pas valorisée. On n'a on même pas de siège. Alors qu'on fait une, une activité d'intérêt public. Au Nigeria, le CEDIR national qu'on appelle NAIREC a un budget que l'État vote. Au Niger, même pour avoir une audience, c'est un problème. Mais ça n'empêche pas le CD de faire son travail. Le travail est là, très concret. On est présent dans les huit régions, on est présent dans 143 communes et on mène des activités, comme disait Révérend <laughs> Balagé, activités de, de, de sapeurs pied spirituel. Merci beaucoup, vous avez compris, vous avez un travail d'intérêt public que vous faites et de ce fait, vous voudriez que l'État vous accompagne davantage ainsi que les partenaires pour que vous puissiez être à la hauteur des attentes le euh, renforcement de la coexistence pacifique euh, entre les religions au Niger et la promotion de la cohésion sociale euh, sans laquelle donc euh, aucun développement ne peut être atteint. Et nous sommes euh, à présent au terme de ce forum qui portait sur le thème Bilan 2022 du dialogue intra-interreligieux au Niger et les perspectives pour l'année 2023. Nous retenons que diverses euh, actions ont été menées par le comité de dialogue intra-interreligieux qui a été créé depuis 2017. le dialogue intra-interreligieux au Niger avait cependant commencé dans les années 2000 donc avec euh, des leaders euh, qui avaient pris conscience euh, de cette nécessité de faire ce dialogue et depuis cette création du CEDIR, diverses actions ont été accomplies pour les perspectives. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont contenues dans un plan d'action qu'ils appellent leur plan d'action donc 2022-2025. Nous disons merci à nos invités en tout cas, Cheikh Abraham Aboubakar, président du comité de dialogue intra et interreligieux sédir Patrice Adovi, secrétaire permanent du comité de dialogue intra et interreligieux, Cédir et monsieur Alou Maïga, prédicateur, également membre du Cédir, chargé des relations avec les partenaires. Merci chers euh, invités. Merci aussi à vous, chers auditeurs des médias partenaires du studio Kalongo de nous avoir euh, suivis. Je suis Michel Deji à la modération de ce forum, à la technique euh, Amina Hassan. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et au revoir.